The forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio forum du studio forum du forum Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, merci pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu sont diffusés en direct grâce à un réseau constitué de 31 radios partenaires disséminés à travers le Niger. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien suite des émissions délocalisées du forum du studio Kalangou dans les régions du Niger. Après Agadez et Difa, cette semaine, le studio Kalangou est à Zender, capitale du Damagaram et ancienne capitale du Niger. Ici à Zenderville, nous traitons ce soir de la thématique de l'approvisionnement en eau potable. Quels sont les besoins en eau de la population de Zender Quelle est l'origine du problème d'eau à Zender L'implantation de la raffinerie de pétrole Soraz à Zender serait-elle un facteur ayant aggravé la situation Quelles sont les limites des solutions déjà entreprises Pourquoi, malgré l'inauguration de certaines stations d'eau à Zender, le problème d'eau persiste. Que faire pour parvenir à garantir une alimentation en qualité et en quantité suffisante d'eau pour la population de Zender Pour répondre à toutes ces questions, nous avons comme invité ici autour du plateau Abdoulaye Issa, directeur régional adjoint de l'hydraulique de Zender. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Yahya Badmassi, coordinateur du réseau pour l'éducation et la démocratie, RAID de coordination régionale de Zender. Bonsoir, Yahya. Bonsoir. Et Maman Ali Hamidou, qui est chef service hygiène et assainissement de la mairie centrale de Zender. Bonsoir, monsieur. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Merci à tous. Euh, bonsoir. Je le disais, nous sommes à Zender dans le cadre de la délocalisation du forum du studio Kalangu. Zender, capitale du Damagaram, c'est la première capitale du Niger d'abord capitale du territoire militaire, puis de la colonie du Niger respectivement de 1901 à 1903, puis de 1911 à 1926, deuxième ville du pays avec une population estimée à 336 024 habitants en 2014 selon des projections de l'INS. L'un des problèmes de cette ville, c'est sans conteste la question de l'eau, cette denrée vitale. Il est reconnu que la ville de Zender est située sur un socle granitique, ce qui pose un réel problème de desserte d'eau, car la nappe d'eau étant lointaine et profonde. Tous les régimes qui se sont succédés se sont penchés sur la question et des châteaux et stations d'eau ont été construits et mis en service. Il s'agit entre autres des plus récents d'Arunguza en mai 2005 et de Ganaram en décembre 2015. Ceux-ci viennent s'ajouter à l'existant Goga et Machaya. Le problème de l'eau reste une préoccupation à Zender même si cette année, une accalmie semble être observée. Monsieur Yahya Banmasi, vous êtes le coordinateur du réseau pour l'éducation et la démocratie, RED de coordination régionale des Inders, acteur de la société civile. Un premier constat de la situation de l'approvisionnement en eau de la population des Zender. Merci de l'occasion que vous nous offrez par rapport à cette thématique, combien importante et pertinente. Vous avez fait l'historique un peu de la question du problème d'eau que cette population des Inders et est depuis belle lurette. Et je crois qu'avec euh, la construction du château de Arunguza en 2005, comme vous l'avez dit, et ça a un peu atténué le calvaire que la population des Indères vivait à l'époque. En dehors de cela, avec récemment la centrale d'approvisionnement des Ganaram en 2015 aussi, ça aussi, ça a contribué énormément pour, n'est-ce pas, pallier à ce problème. Mais il faut noter que aujourd'hui, je passe sous le contrôle des services techniques qui sont là. Je crois que le besoin encore reste. Le besoin y est par rapport à cette question d'eau dans certains quartiers. Notamment, si vous prenez le quartier Birni, une partie des Garmalam et des Karakara et un peu Irandabokwe. Donc ce quartier là aujourd'hui souffre énormément, en tout cas des problèmes d'eau. Même si ce n'est pas de façon généralisée comme on l'avait connu dans certaines périodes, mais aujourd'hui on peut dire qu'il y a des poches de problèmes. Donc pour dire que le problème n'est pas entièrement résolu, malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires pour résoudre ce problème d'eau. Monsieur Maman Ali Hamidou, qui est chef service hygiène et assainissement de la mairie. Alors cette question d'approvisionnement en eau, on a vu qu'un certain nombre de stations d'eau ont été mises en place l'acteur de la société civile, euh, Bademassi, l'a rappelé que certains quartiers de la ville de Zender souffrent encore de cette question d'eau. Donc, euh, moi, par rapport à cette thématique, euh, le problème d'eau de la ville de Zender, vous avez vous-même évoqué l'historique, Bademassi l'a encore euh, répété. Nous, ce qu'on avait constaté par rapport au temps antérieur que la ville de Zender a vécu cette situation de problème d'eau, avec l'effort que les États ont fait par rapport à, à l'addiction d'eau quand on a fait Arunguza euh, à Ganaram, ça a un peu atténué la souffrance même de la population. Maintenant, comme Badmas venait d'expliquer, un certain nombre de quartiers qui, jusqu'à preuve de contraire, à un certain moment, ils vivent ce calvaire. Moi, je ne suis pas technicien à la matière. Peut-être c'est dû à de la croissance même de la population au niveau de, Zender, puisque Zender a grandi et Zender est en train de grandir. Et la consommation s'augmente et puis il y a avait euh, le problème parfois de, de réseau, parce que les réseaux, si les conduites ne sont pas bien adaptés sur le terrain. Donc ça fait en sorte que certains euh, quartiers jusqu'à présent, ils vivent deux jours, parfois une journée sans avoir. Mais dans l'ensemble, quand même, le problème de l'eau de Zender, vraiment nous on va remercier Dieu. Ça n'a pas son ancienne historique où il fallait voir dans dix constructions, neuf constructions n'ont pas de l'eau ne vient pas. Maintenant, vraiment, ça, ça commence à, s'améliorer et que je pense qu'avec les efforts que l'État, les services de l'hydraulique sont en train de faire. Justement, le service de l'hydraulique est représenté ici avec nous, euh, notamment par Abdullah Issa, qui est le directeur euh, régional adjoint de l'hydraulique. Les uns et les autres ont sollicité le service de l'hydraulique, euh, qui est les techniciens à la matière. Quelques explications peut-être de cette persistance dans certains quartiers, je dirais périphérique périphériques euh, de la ville des Anders par rapport à ce problème d'eau. Merci pour nous avoir invités pour un sujet que je dirais d'actualité, mais qui pour nous maintenant, je pense que la page est plus ou moins tournée par rapport au problème d'eau de la ville des Anders. Mais on ne veut pas parler du présent sans parler du passé. Vous-même, dans votre introduction, vous avez dit que la ville des anders repose sur un socle granitaire. Donc, avant, c'était la capitale du Niger. Mais suite effectivement à ces problèmes d'eau, la ville a été déplacée là où il y a de l'eau. Donc le premier champ de captage, c'est Gogo Machaya. Les études ont été faites en 1950. On a créé le champ de Gogo Machaya qui est composé d'une batterie de forages. Il y a environ 52 forages de production au niveau de Gogo Machaya. En plus, il y a six bâches qui emmagasinent à peu près 1 million de mètres cubes chacun. Mais c'est toute une acrobatie pour alimenter la ville de Zander. Pourquoi Parce que c'est à partir d'un barrage, on refoule l'eau qui va dans les bâches pour alimenter la nappe. Parce que c'est une nappe qui est très sensible au niveau de Gogo Machaya. Sensible par rapport à quoi Sensible par rapport à l'exploitation. Pourquoi Parce que quand tu pompes beaucoup, tu risques d'avoir un problème écologique parce qu'il y a une végétation, il y a l'agriculture. Vous savez que la c'est une zone de pression qui subit une pression des, agriculteurs, de l'élevage et puis en même temps la consommation humaine. Donc ceci étant donc la station a été construite en 57, je pense, euh, si ma mémoire est bonne, et elle refoule. La conception était de refouler à l'époque 7000 mètres cubes pour la ville de Sander qui vient dans le de Birni et le château de, de Cantanim. Les deux ont une capacité environ de 3050 mètres cubes. Leur capacité d'emmagasinement. Donc, au refoule, l'eau, ça vient sur 18 km,5, ça vient à Zander. Donc, parler de résoudre définitivement le problème d'eau, c'est vraiment être néophyte, quoi. Parce que la consommation, elle est dynamique. La population, elle est dynamique. Donc, un projet d'hydraulique, on le fait sur la base d'une programmation. 10 ans, 15 ans, 20 ans. La population, elle, elle évolue. Et vous n'êtes pas seul de savoir que la région des Indes est l'une qui a le taux le plus fort d'accroissement naturel. en a 4,7 par exemple, je crois. Ah, ah, donc à l'époque où euh, Gogo Machaya euh, a été euh, mis en place, c'était par rapport à la population et une projection de 10 ans, 20 ans. Donc plus la population grandit, plus le besoin s'agrandit. Et c'est ainsi qu'on est arrivé en 98 où Gogo ne peut plus produire parce que le champ de Gogo est sujet à la pluviométrie. Dès qu'il ne pleut pas, c'est fini. Au lieu de donner les 7000 mètres cubes pour la population, ça descend, ça descend. On est arrivé jusqu'à ce que Gogo donne 3000, 4000 mètres 3 Vous voyez déjà le déficit, c'était créé. Et à l'époque, dans les années 98, la ville de Zandar a un besoin d'environ 10 000 mètres cubes. Contre une production, de, 3000-4000 voyez Donc d'où naît l'idée de chercher un autre champ. C'est ainsi qu'en 98, il y avait une étude sur le nord des Anders, pourquoi il faut quitter, parce que le sud ne peut plus répondre aux besoins de la population. Gogo se euh, trouve Gogo, au sud. Gogo se trouve au sud des Anders je vous à 18 km. Donc c'est là qu'on a fait une batterie de, forage. Donc en 1998, il y a eu des recherches, il y a eu un projet de recherche qui est venu, on appelle ça PERPERES. C'est un projet d'étude de la prospection pour la potentialité exploitable des ressources en eau souterraine qui a été faite avec euh, la délimitation maintenant du champ de Arunguza. Donc ce champ, on a réalisé 11 piosomètres, 11 forages pour le tester, pour voir le comportement de la nappe qui est au niveau de Arunguza. C'est ainsi que les études ont été confirmées concluantes. D'où maintenant la réalisation du champ de Ganaram pour renforcer le premier chaîne de captage qui est Gogo Machaya. Et avec une estimation effectivement de 4500 mètres cubes. Comme j'ai dit que c'est dynamique, ce qui répond à l'heure en 2005, c'était de produire 4500 mètres cubes et les, mettre avec euh, les ajouter au, euh, à la production de Gogo Machaya qui peut arriver aux 10 000 mètres cubes pour atténuer le problème. Mais on a fait un modèle d'exploitation. Donc on a déterminé en même temps au niveau de, de Arunguza et Arunguza 1 et Arunguza 3. Donc Arunguza 1 c'est le champ de Ganaram. Donc là aussi il y a eu des études à court terme. Après Arunguza, donc ça sera Ganaram qui est à 17 km de, Arunguza. Là, il y a une potentialité qui peut donner jusqu'à 15 000 m3 selon les calculs. Donc si on continue à faire les forages au niveau de, de Ganaram, on peut avoir encore 10 000 mètres cubes supplémentaires. C'est-à-dire que la nappe est capable de prendre jusqu'à, de donner jusqu'à 15 000 mètres cubes. Ça, c'est court terme. Et après, maintenant, à long terme, c'est Ganaram Est. Donc c'est là, là où vraiment il y a la grande réserve qui peut nous permettre l'est de, de, Ganaram. Quoi. Là, on peut avoir jusqu'à 84 000 mètres cubes au niveau de cette nappe. Elle peut produire jusqu'à 84 000 m3 par jour. Oh, oui, parce que je ne suis pas encore venu au sujet parce que c'était dit que c'est l'historique. Maintenant, par rapport à la situation actuelle, effectivement. Donc, c'est pour cela, après avoir fait Ganaram on, euh, à Runguza, on a pensé alors faire l'extension. Comme j'ai dit que c'est dynamique en fonction de, de, la population, donc il a été identifié maintenant le champ de Ganaram. Et c'est ce champ qui a été réalisé et qui donne une production estimée à 15 000 mètres cubes supplémentaires qu'on peut avoir. Donc, euh, maintenant, sa mise en service a été faite en février 2016. Donc, ce projet comportait quoi D'abord, on a constaté que le réseau de la ville des Anders est vétuste. C'est un vieux réseau. Donc, dans le projet, il y a la réhabilitation du réseau, parce que c'était en Galva, c'était des tuyaux qui sont corrodés, euh, qui sont rouillés. Donc, en métaux, il faut les changer parce que vous qui êtes des Andas, c'est très facile de voir une maison s'effondrer parce que le tuyau est cassé, quoi. Ça, c'est ça, c'est un. Et puis, il est prévu maintenant, après l'extension de, ces roseaux quand on le réhabilite, on fait l'extension aussi pour amener l'eau là où, dans les, autres périphéries, c'est toujours dans, dans, le projet. Faire des branchements euh, qu'on appelle privés, il est prévu 2000 branchements par rapport à ce projet de Ganaram qui n'a pas encore été réalisé. Je parle sous le contrôle de, la semaine. La construction des 25 bornes fontaines, là aussi c'est identifié. la scène n'est pas là pour me dire que ça a été fait ou pas. Donc, ce qui fait que, du coup, présentement, quand on dit qu'il y a des quartiers qui sont sujets à une pénurie, c'est un réseau qui est vétuste. Donc c'est tout à fait normal parce que quand on a lâché l'eau, il y a certaines conduites qui ne peuvent pas supporter la, la, pression. La pression et, ça, éclate. Alors, M. Maman Ali Hamidou, chef chef service hygiène assainissement, cela pose euh, un, véritable problème, lui de pouvoir réhabiliter tous ces réseaux vétustes et pouvoir réaliser euh, des bonnes fontaines. Un des, un des problèmes qui euh, justifie aujourd'hui le fait que certains quartiers restent encore sujets à ce problème oui, parce que ça, c'est un constat que nous qui vivons dans la ville de Zender et qui, à chaque fois, euh, nous sommes sollicités quand euh, les gens nous interpellent par rapport à, ce problème qui, chaque matin, quand tu réveilles, tu vas trouver. Maintenant, par exemple, moi, je vais te dire, dans la ville de Zender, par rapport à tous ces problèmes, il y a beaucoup de nos rues pavées qui, qui sont foutues parce que toujours il y avait ce problème. Tu vas trouver un bon matin, qui est de, l'eau euh, qui jaillissait tout au long de la ville. Et dès que tu suis, tu vas trouver que c'est juste un tuyau de la Seine qui, a pété. Et c'est une perte aussi d'eau. Euh, c'est une perte, une grande perte d'eau, parce que pour une ville de Zender qui avait ce besoin de, ce, qui a duré avec ce problème de l'eau, et si toutefois que on va trouver de l'eau qui, qui, qui ruissait comme ça dans le vide, vraiment c'est une grande perte. Maintenant, par rapport à la question, ça veut dire que si peut-être quelqu'un qui est de la scène est là, peut-être eux qui savent le problème que vit le réseau, ils peuvent peut-être dire que maintenant, est-ce qu'ils sont sur le point de tout reprendre le réseau vitus et à quand pour que tous les quartiers de la ville de Zander puissent avoir de, l'approvisionnement euh, à, temps et à tout moment je rappelle que nous avons euh, invité également la CIN, la Société d'exploitation des eaux du Niger, qui n'a pas souhaité euh, être là, qui nous a renvoyé plutôt au niveau de, des services de l'hydraulique ou de l'ASPEN, l'ASPEN n'étant pas ici sur place à Zender. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons au niveau de la ville de Zender, que ce problème soit vite solutionné pour permettre à la population vraiment, à euh, chaque robinet de maison, quand vous, vous, ouvrez, que l'eau euh, je reviens à vous, M. Abdullah Issa, de la direction régionale euh, de l'hydraulique. D'ici combien de temps pouvons-nous espérer que ces réseaux puissent être réhabilités et que ces bornes, dans le cadre du projet de Ganaram, borne euh, bornes fontaines puissent être. réhabilitées une grande partie de ces réseaux a été déjà réhabilité Ça, je vous l'informe. Ça a été déjà réhabilité bien avant même la mise en service du champ de, de, Mais il y a une partie, jusqu'à présent, bon, je ne connais pas le linéaire, quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'à Zender, il y a environ 210 km de, conduite, de, euh, réseau, Et la réhabilitation, la réhabilitation normalement relève des, services de l'ASPEN euh, La réhabilitation dépend de l'ASPEN, c'est elle qui est la société de patrimoine. Mais pour certaines, euh, comment on appelle, fuites dans le réseau urbain qui n'est pas dans les concessions, ça c'est pris en charge par la, par, la et effectivement via la SPEN, parce que c'est la SPEN qui a le patrimoine de l'exploitation des eaux du Elle, elle est eh en, contrat de concession avec, euh, avec, la euh, SIN qui exploite le réseau. Voilà. Monsieur Bademasi Yahya, coordinateur du réseau pour l'éducation et la démocratie RED, coordination régionale des Anders, on a soulevé un certain nombre de, raisons. Mm. Est-ce que, en, plus de, la vétusté euh, de ces réseaux et de, l'augmentation sans cesse de la population, en dehors de ces raisons, est-ce que l'implantation récente de la raffinerie du pétrole de Zender n'est pas un facteur aggravant la question de l'approvisionnement en eau de la ville de Zander eh Bien au contraire, moi je pense que eh, l'implantation de cette raffinerie est plutôt un avantage. Parce que je me rappelle bien qu'à l'époque euh, où nous vivons cette crise, il y avait une sorte de coopération ou de consensus entre la SORAS et les services compétents. Et je crois bien que la SORAS nous a fourni 1000 mètres cubes, quelque chose comme ça donc pour faire le raccordement entre la Soraz et Arunguza, donc pour venir en appui, donc euh, avant la mise en service de la station Ganaram. Donc on peut dire que euh, c'est une très bonne chose parce que ça n'a pas, en tout cas, ça n'a aucun impact surtout un effet négatif par rapport, n'est-ce pas, à l'approvisionnement en, eau potable de la ville des Indères. Mais tout de même, je vais un peu revenir par rapport à cette question des réseautages. Parce que c'est le problème aujourd'hui qui se pose avec beaucoup d'acuité à Il est dit que chaque matin ou chaque nuit, surtout parce que la nuit, il n'y il a pas tellement d'usage d'eau. Donc, en ce moment, la pression est forte. Donc, les tuyaux là se cassent. Donc, ils passent toute la nuit en train de de couler. Donc, du coup, un problème de fluidité ou de circulation même se pose en dehors même de la perte énorme de l'eau. Donc, le problème d'hygiène assainissement se pose dû à cela. Donc, si cela a été prévu, comme l'a souligné eh, le directeur adjoint, je crois que cette question doit être prise en charge de façon urgente pour que ce problème-là soit définitivement réglé. Maintenant, par rapport à un autre aspect, ce que c'est en dehors même de la vestité des réseaux, ce qui a des nouveaux quartiers. Aujourd'hui, nous avons évoqué la question de la démographie parce que ça galope le taux d'accroissement. Donc, autrement dit, le problème d'approvisionnement en eau potable doit se poser. Il faut trouver une adéquation entre ces deux variables. Donc, il y a des quartiers qui sont en tout cas éloignés où des mesures préventives n'ont pas été prises dès lors. Qu'est-ce que, je vais dire par là Voilà. Parce que, en principe, lors des, lotissements, la mairie doit prévoir ces canalisations, les tuyauteries, en tout cas les grandes. Donc, si vous partez à Niamey ou bien une partie des maradis, c'est ce que vous allez voir. C'est des quartiers qui sont lotis, qui sont électrifiés, où l'eau est là en permanence. Mais contrairement à Zender, donc, contrairement à Zender, ce problème n'a jamais été pris en question. en tout cas, c'est récente et pour vous, ça fait partie des, des raisons Des raisons qui, fait, qui font en sorte que ces quartiers-là, périphériques, n'ont pas de l'eau, c'est ça. Et aujourd'hui, si vous partez, ces, ces quartiers périphériques-là sont plus... Euh, denses que ceux qui sont au centre-ville parce qu'aujourd'hui le problème euh, des loyers se pose avec beaucoup d'acuité. Chacun cherche là où se caser. Et donc, tous ceux qui ont les moyens construisent, euh, n'est-ce pas, à côté ou bien dans ces quartiers-là pour se prendre en charge. Donc voilà c'est <laughs> ce dont je voulais parler. Les services de l'hygiène assainissement de la mairie sont euh, indexés. Maman Ali Amidou, chef service hygiène assainissement, qu'avez-vous à, rajouter par rapport à, ce qu'on vient d'entendre, à la viabilisation surtout des, lotissements donc, euh, moi, par rapport à ça, tout à l'heure, euh, quand mon ami a évoqué, il a évoqué le problème, quand on avait parlé de problème de fuite, avant même le problème de fuite, c'était un problème que certains quartiers, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas été servis. Donc ça veut dire, l'eau, il y avait des tuyaux, mais l'eau ne coule pas. Donc il a donné un exemple de quartier qui l'eau ne vient pas jusqu'à preuve de contraire. Disait-il que le problème crucial d'approvisionnement en eau potable de la ville de Zender manque dans certains quartiers. Je ne suis pas du domaine de l'affaire pour répondre de lotissement ou de viabilisation, de, de parcelles. Là. Mais tout celui qui circule dans la ville de Zender et qui fait le contour de la ville de Zender, à moins de 10 ans, euh, la ville de Zender a grandi. Il suffit aujourd'hui il suffit aujourd'hui que vous faites le tour, vous allez trouver tous les gens sont en train de construire. Et je pense que euh, au début, même ce qui a empêché la ville de Zender de grandir, c'était du manque d'eau. Mais maintenant qu'il y avait l'eau, tout le monde est en train de construire. Maintenant, tu fais le, tu fais le nord, tu, fais tu, vas trouver les gens en train de construire et que tu vas voir ceux qui en ont le moins ont pu tirer euh, des pompes. Et c'est à euh, partir de ces pompes qu'ils qu commencent à faire leur, leur, leur, activité. Donc, euh, par rapport à ce problème, je pense que actuellement, actuellement, la ville de Zender, le problème crucial d'eau qu'elle a l'habitude de vivre pendant des années s'est atténué. Et Dieu merci, remercie le bon Dieu. Et il fallait voir la population de Zender aujourd'hui recensée, ça fait dans les 300 000, c'est-à-dire que c'est le plan euh, administratif. Mais aujourd'hui, ceux qui vivent dans la ville de Zender, ça fait plus, la ville de Zender a plus de 800 000, puisqu'il y avait des, gens, euh, des exodants qui viennent ceux qui vivent dans la ville de Zender, c'est plus de 800 000. Et pourtant, administrativement, c'est à de 300 000 habitants. Donc, la ville de Zender a grandi. Le besoin se fait sentir. C'est tout à fait normal. Tant qu'il y a une population croissante, que la consommation s'accroît. Monsieur euh, Issa, vous voudriez réagir Oui, bon, enfin, la réaction, elle est, d'abord par rapport à votre euh, première question au sujet de la SORAS. Tout à l'heure, quand je disais, il y a eu une étude en 98 pour déterminer les champs potentiels, c'est-à-dire que les endroits possibles où on, peut, alimenter, où on peut tirer de l'eau. Je vous ai parlé des trois champs. D'abord, qui est en premier lieu, à court terme, moyen terme, il y a Ganaram, et à long terme, c'est Ganaram Est. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, après Arunguza, la Soras est arrivée. Or, pour traiter le pétrole, ils ont besoin de l'eau. C'est ce qui fait que la Soraz, elle a utilisé son propre champ. Elle a utilisé le deuxième champ Ils ont fait leur station autonome. Parce que la Soraz, elle a besoin de 7000 m cubes par jour. S'ils atteignent leur production de croisière, 7000 mètres cubes. Donc, ils ont fait leur station qui est autonome. Maintenant, cette station, elle fonctionne mais pas à 100% parce qu'ils n'ont pas. Ça, c'est une estimation du besoin, mais ils n'utilisent pas les 7000 mètres cubes dans, dans le deuxième champ. là. C'est ainsi que quand ils prennent cette eau, ils la recyclent en même temps, quoi, parce qu'ils ne rejettent pas directement, mais ils la recyclent et elle tourne maintenant pour faire euh, tourner les toilettes, les chasses et autres. Donc, c'est comme ça qu'ils utilisent l'eau. Donc, ils n'ont pas atteint ce. Donc, euh, quand le problème a persisté avant la réalisation des Ganaram, donc on a, sollicité Soras, le complète. Donc c'est ainsi que on a négocié Soras. Et à partir de leur station de pompage, on a fait un branchement de 9 km qui renforce la capacité de Arunguza, qui donnait 4000 m3, maintenant ça devient 5000 m3. Avant qu'on ne finisse Ganaram. Et c'est ainsi que maintenant, quand, quand on va réaliser Ganarom, on est encore allé plus, plus au nord que, que, la, que, On est arrivé maintenant à 44 km de, de Zender. Donc, ce qui fait qu'avec maintenant les forages qui sont répartis dans le champ, on a en moyenne une distance de 64 km pour refouler l'eau venir à Zender. Donc voilà en fait le petit éclaircissement que je peux faire. que Donc, Maintenant, revenir, aller revenir sur le problème d'alimentation. Je pense que pour nous, le problème est résolu. Mais je dis que c'est dynamique. Ce champ a été réalisé pour un besoin d'abord, parce qu'il y, a trois périodes. 2000, à partir de 2010, 2020, 2025. C'est ça la projection. Mais jusqu'en 2020, à partir de 2010, on peut produire 10 000, par exemple, 10 800, 10 829 mètres cubes, par exemple, que Ganaram peut donner. En 2020, ça sera 17 000, 17 600 et quelques. Avec Ganaram ah, avec, avec Ganaram actuellement, parce que présentement, il donne dans les 15 000 mètres cubes. Maintenant, faire la différence entre la ressource et maintenant comme la distribution. Parce que le problème actuel qui se pose, c'est un problème de distribution, pas un problème de pénurie. Nous avons la ressource. Vous savez que euh, l'eau, elle est garantie. Ça, elle est garantie. Nous le garantissons par rapport aux résultats des études que nous disposons. Peu importe l'accroissement de la population, chaque fois que le besoin se fait sentir, c'est de faire une extension, c'est d'augmenter un certain nombre de forages. Par exemple, à, partir de 2025, il faut augmenter les 22 fourrages qui donnent euh, actuellement à partir du champ des Ganaram, il faut les ramener à 30 par exemple. Il faut augmenter seulement et connecter, c'est renforcer. Parce que la population augmente, le besoin est là. Maintenant, au niveau des, des, des, centres urbains, c'est tout à fait normal. Comme le réseau ne tient pas, c'est tout à fait normal qu'il n'y a pas d'eau. les petites coupures, là c'est possible quand tu es dans un quartier de basse pression et qu'il y a coupure parce que c'est le groupe qui va marcher, des fois la pression n'est pas requise. Et c'est ces petits problèmes qu'on rencontre actuellement. Donc, nous, nous ne pouvons pas faire un lien avec une pénurie d'eau qu'on connaît avant et ces petits problèmes comme ça, n'importe où ça peut arriver. N'importe où ça arrive parce que c'est un truc technique. Donc, si, le problème persiste aujourd'hui, ah. ne euh, pas la ressource, mais plutôt le C'est peut-être un problème d'exode qu'on peut, on peut appeler ça comme ça. Mais nous avons la disponibilité qui peut vraiment servir et qui peut garantir les besoins à nous de la ville des Anzères actuelle et future. Il vous a bien dit ça. Mais les gens sont en train de faire des branchements, les gens sont en train de, construire. Quand tu tires l'eau à, tes, frais, elle, va là où tu, tu, tu l'amènes. Mais les petites coupures là, s'il y a coupure d'électricité, il y a coupure de. Euh, c'est tout à fait normal que la pression euh, baisse. Monsieur ah, Yahya, hein? coordinateur du RED. Oui, par rapport à à l'énergie, à la source d'énergie utilisée. vous poser la question. Voilà. Que pas je crois que jusqu'à preuve de quoi, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle. Ganaram, là, le champ de captage, là, est alimenté par des, moteurs. Et du coup, quand les moteurs la tombent en panne, parce que nous avons à chaque fois sollicité ou échangé avec les services euh, de la Seine en cas de petites pannes, là, dont il parlait, on nous fait savoir que c'est les moteurs qui sont en panne. Or, c'est à quelques kilomètres de la Source on peut bel et bien avoir, ou électrifier, ou faire le raccordement entre la Soraz et, ce champ de captage s'il y a encore une volonté parce que la Soraz dispose d'un excédent en matière euh, d'énergie électrique. Bon, je ne sais pas l'évolution de ce dossier. Ça aussi, il faut regarder ça pour éviter les petits désagréments. On va revenir peut-être avec, euh, directeur C'est tout à fait normal. L'alimentation du de Ganaram se fait comment Ganaram, si elle fonctionne avec un groupe, effectivement. On vient tout juste de renouveler le groupe. Je ne sais pas, il a été installé ou pas, acheté par la semaine. C'est un groupe de, 900 KVA. Il consomme à peu près 75 millions de carburant par, mois. 75, millions, de carburant, par mois. est C'est -ce que vous pensez... Non, je n'ai pas fini. Donc, il était prévu dans le dispositif, effectivement, connecter Ganaram avec euh, le courant de la SORAS Là encore, c'est un autre domaine. Nous ne sommes, nous ne sommes pas vraiment, nous sommes pas, nous sommes mal placés ici pour parler de l'état des négociations du branchement de, de, la Soraz et de, la avec Ganaram. Parce que ça va même loin, parce qu'on dit que même Soraz va, va, va alimenter Zender, Maradi et, Tawa. La ligne, elle est déjà faite de haute tension. Bon, je ne sais pas maintenant quel est le niveau du projet. Donc, j'estime que si c'est déjà branché, bon, moi je ne sais pas. Si c'est déjà branché, donc euh, il n'y a pas de raison. Parce que la, Ganaram, la, va acheter le courant, ce n'est pas gratuit, donc je ne vois pas pourquoi. Mm. Mais en attendant les négociations, je ne sais pas si c'est fait ou pas. Mais pour le groupe, je sais qu'il y a un nouveau groupe, Flambeau neuf, qui est arrivé il n'y a, pas, il y a pas deux mois de cela. Bon, comme la, la n'est pas là, bon, je ne sais pas c'est ça qui marche. Maman Ali Hamidou, chef service hygiène et assainissement de la mairie. Est-ce que euh, à ce jour, vous avez peut-être des informations concernant l'alimentation en électricité de Ganaram euh, Bon, moi, je pense que, euh, comme, comme le docteur l'a dit, nous avons vu, on a mis les poteaux, nous avons entendu dans les informations comme tout le monde, mais jusqu'à preuve de contraire, nous, on n'a pas vu cette euh, connexion, puisque nous, on pensait que depuis le mois d'août de l'année passée ou le mois de juillet de l'année, de l'année passée, qu'on nous a fait, bon, dans les informations, que cela va être fait, mais jusqu'à preuve de contraire, non, maintenant, les décideurs politiques n'ont pas fini de de leur négociation ou quelque chose comme ça. Sinon, euh, nous avons constaté avec des poteaux, une date a été une fois communiquée, annoncée, mais, mais pratiquement dans le concret, euh, jusqu'à preuve de contrat. Monsieur Yahya Bademassi, est-ce que cette question d'alimentation de, de, cette station de Ganaram mm. euh, n'est pas l'une des raisons que l'alimentation par le groupe puisse poser des problèmes et que la baisse de pression puisse s'expliquer par cela. Effectivement, et le directeur, l'adjoint au directeur a répondu que récemment, ils ont mis à la disposition euh, du Ganaram un groupe 9. Donc, c'est pour justement pallier à ce problème dont je faisais cas tout à l'heure. Donc, si tel est le cas, ça, c'est peut-être en court terme, mais le groupe ne résout pas définitivement un problème. Donc, il va falloir songer à pérenniser ça. Et justement, c'est à travers la connexion euh, Soraz et Ganaram qui est distante de courage de, moins de 20 km. Donc, s'il y a la volonté politique, on peut bel et bien le faire. Je crois que l'énergie qu'il va consommer, ce groupe-là, si vous faites un petit euh, calcul annuel, vous trouverez que, sans nul doute, c'est moins coûté d'utiliser quel qu'en soit le prix, même si c'est à 100 francs le kilowatt, parce que j'aurais appris que euh, entre le nœud de problème entre la SORAS et la Nigélec, c'est que la, la, veut vendre le kilowatt à 100 francs à la Nigélec. Or, la Nigélec, même la tranche qui est à TVA, c'est 79, et quelques francs qui mhm. vendent aux abonnés. ce mhm. n'est C'est pas acheté du Nigeria. Donc, on ne peut pas, je sais pas, conclure sur cette base, justement. Et là aussi, j'ai dit que c'est la volonté politique Parce que la SORAS est construite à 40% du budget nigérien. Même si c'est 60% chinois, on peut sacrifier une partie de notre ressource pour alimenter les trois régions. Parce que sans énergie, on ne peut pas justement évoluer, on ne peut pas implanter des usines, on ne peut pas avoir l'eau en permanence, tout ça, les activités de développement. Donc je crois qu'il faut accélérer ce processus parce que nous avons vu ailleurs, si vous prenez la centrale de Borobandala, qui a été construite à coups de milliards, qui sont partis en fumée entre griffes, je crois qu'on peut réorienter ces choses-là au niveau de, la SORAS pour avoir un accord final qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, il ne reste que la connexion. Parce que les poteaux ont été installés, les câbles ont été, ont été branchés. Il reste en tout cas la connexion. Alors nous sommes déjà dans les solutions. Monsieur Abdullah Issa, directeur régional de l'hydraulique, je reviens à vous. Que faire, à votre avis, à court, moyen terme, pour garantir une alimentation en qualité et en quantité suffisante d'eau pour la population des Zinder? Bon, moi, je pense que le premier point d'abord, c'est comme il, est résolu parce qu'il y a la ressource. Nous avons trouvé la ressource disponible à court, moyen et long terme. Donc ça c'est fait. Le deuxième, bon, c'est résoudre les petits problèmes, par exemple, d'énergie. C'est un petit euh, problème C'est un petit problème parce qu'on a tout fait, on a les installations, on, fournit l'énergie avec euh, le, groupe. C'est déjà, déjà résolu pour moi. L'eau que je consomme présentement, elle, est produite par le, par le, par le groupe. Maintenant, l'autre bout du chemin, il suffit de seulement connecter comme je vous dis, que nous sommes. Nous sommes après avoir euh, finalisé les accords. Donc, après avoir finalisé les, accords ici, donc, euh, nous sommes ici tous mal placés pour parler de ce sujet parce qu'on ne le maîtrise pas et ça ne dépend pas de nous. Donc c'est à un autre niveau. Techniquement, les installations sont faites. Pour vous, la euh, solution, la ressource, elle est, disponible à court, moyen et long terme. est disponible. Maintenant, c'est comment l'exploiter, c'est tout. Mais rapport au, réseau, là maintenant, ça c'est la troisième solution. Donc c'est de voir là où vraiment les réseau est Ça c'est la signe qui, le détermine et essayer de, le réhabiliter. Maman, Ali Hamidou de la mairie service hygiène assainissement. Nous sommes dans les solutions. Vous rejoignez euh, le directeur le puisque la, euh, les ressources sont disponibles. Par rapport aux ressources, il n'y a pas de problème. Euh, par rapport à l'électrification aussi, maintenant, comme il y avait la SORAS, donc le, potentiel est là. Maintenant, le potentiel. il y a la ressource en eau. il y a l'énergie. Maintenant, comme euh, le docteur venait de vous le dire, maintenant, c'est une autre responsabilité aussi par rapport à quand. Donc, nous, c'est euh, à quand. Ça, c'est une autre responsabilité au, haut niveau aussi. Bademasi Yahya, la ressource en eau, elle est disponible à court, à long terme, à court, moyen et long terme, et même l'énergie également pour pouvoir euh, contribuer à, distribuer cette eau. Euh, qu'est-ce qui reste Moi, je pense que la question d'approvisionnement en eau de la ville des Indères a été prise en charge par l'État. Dieu merci. Mais en tout cas, ça doit être de façon générale partout au Niger une question de souveraineté. Parce que le fait de privatiser une partie, par exemple le côté redistribution, la vente là, à une société étrangère, moi, pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ça pose énormément de problèmes. Parce que l'eau est une ressource naturelle. Or, les ressources naturelles sont propres aux citoyens, en tout cas du Niger. Donc, du coup, je pense que on doit revoir cette copie afin de. Si par exemple c'est l'État qui s'en cherche de cette redistribution, je pense que le problème là ne doit pas se poser. L'État va chercher un financement avec ses partenaires ailleurs. Ils vont venir investir, en tout cas pour satisfaire, pour eh, régler un droit fondamental. Parce que l'accès à l'eau, c'est un droit pour les citoyens. Voilà. Vous voulez, vous voulez parler Monsieur le directeur régional. Euh, moi, j'ai tout dit vraiment. <laughs> Peut-être au niveau des solutions, je pense que aussi il faut renforcer ça avec la sensibilisation de la population. Quoi. À faire quoi à, comprendre d'abord la problématique de l'eau, Comment cette eau-là est arrivée. Donc, il faut vraiment bien la gérer. Le problème d'eau, il est universel. Ce n'est pas seulement à Zander, mais il risque d'être mondial à long terme. Donc il faut vraiment gérer cette ressource qui est quand même importante et qui, qui est chère même. Elle n'a pas de prix, mais les moyens de la faire amener chez soi, là, c'est ça qui coûte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la consommation de l'eau. Mais vraiment que les uns et les autres sachent que l'eau, là, vraiment, c'est une ressource importante. On dit que l'eau, c'est la vie, mais quand même, il faut bien la gérer. La gestion avec la gestion, il faut vraiment la gérer convenablement nous, encore Dieu merci, par rapport aux autres. C'est sur ces mots du directeur régional adjoint de l'hydraulique que prend fin le forum euh, de ce soir. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Abdoulaye Issa, directeur régional adjoint de l'hydraulique des Zender, Yahya Bademassi, coordinateur du réseau pour l'éducation et la démocratie RED, coordination régionale des Zender, et Maman Ali Hamidou, chef service hygiène et assainissement de la mairie. Merci à tous d'avoir été de notre Réalisation technique Yousseini Isaka, présentation de l'émission Alassane Kouzi Mamadou. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence pour une autre thématique du forum du studio Kalangou. Au revoir.